forum du studio Kalamgou, le forum du studio Kalamgou, le forum du studio Kalamgou, le forum du studio Kalamgou, le forum du studio Kalamgou, le forum du studio Kalamgou, le forum du studio Kalamgou, le forum du studio Kalamgou, le forum du studio Kalamgou, le forum Auditeurs et auditrices des programmes du Studio Kalangou, c'est l'heure de votre émission quotidienne Le Forum du Studio Kalangou, l'émission qui vous permet de trouver des réponses aux questions que vous vous posez au quotidien. Les voies et moyens pour atteindre l'objectif du Niger en matière de restauration des terres dégradées et déboisées, c'est le thème du forum d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'une terre dégradée Pourquoi restaurer les terres dégradées Quel est l'objectif que le Niger s'est fixé en termes de restauration des terres sur le long le court et le moyen terme. Comment parvenir à atteindre cet objectif Pour répondre à ces questions et bien d'autres, nous avons le plaisir de recevoir euh, ce soir Colonel Bello Osman, directeur adjoint de la gestion durable des terres, Amir Ismaël, coordinateur de l'ONG Save Environnement, et M. Adamou Garba, président du parti Rassemblement pour un Sahel vert, euh, RSV Nima. Et à la présentation, Alassane Kouzi Mahmoud. Mesdames et Messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus dans le forum d'aujourd'hui. Cette semaine, le Niger célèbre la semaine de la restauration, de l'engagement à la mise en œuvre. Vous diriez de quel engagement il s'agit Eh bien, en décembre 2015, l'initiative africaine de restauration des, pays, euh, des paysages forestiers, AFR 100, a été lancé à Paris à l'occasion de la COP 21 sur le climat. Cette initiative a pour objectif de restaurer 100 millions de terres dégradées en Afrique. Pour contribuer à cet objectif global, le Niger s'est engagé à restaurer 3,2 millions de terres dégradées et déboisées d'ici à l'horizon 2030. C'est dans ce cadre que nous vous proposons ce soir le forum sur le thème les voies et moyens pour atteindre l'objectif du Niger en matière de restauration de terres dégradées et déboisées. Pour commencer, nous allons faire un tour de table pour que nos invités puissent chacun se présenter et présenter euh, la structure représentée. Euh, je commence par vous, colonel Bellosman. Ok, merci. C'est colonel Bel je suis directeur adjoint de la gestion durable des terres, donc au ministère de l'Environnement. Euh, de la salubrité urbaine et du développement durable. Euh, Amir Ismail. Mhm. Moi, c'est Amir Ismaël Abdrahman, coordinateur de l'ONG nationale Save Environment. Mhm. Alors, pour définition, nous intervenons dans la protection de l'environnement et des personnes exposées au risque des catastrophes naturelles, avec comme axe d'intervention la sécurité alimentaire, mhm. la lutte pardon, contre euh, le réchauffement climatique, la pollution et éventuellement la lutte contre la désertification. Bien. Alors, euh, colonel, je reviens à vous. Euh, qu'est-ce qu'une terre dégradée euh, et, une, terre déboisée En fait, le terme, ce qu'il faut comprendre par le terme terre restaurée, tout simplement, ça veut dire que c'est une terre qui auparavant était productive, donc qui, avait vraiment toutes ses facultés, excusez du terme, et qui à l'instant ne produit plus. Donc, si c'est une terre pastorale, ça veut dire que eh, il n'y a plus de fourrage. Si c'est une terre agricole, ça veut dire que les productions agricoles, le rendement des productions agricoles est médiocre. Si c'est une terre sylvicole, ça veut dire que il n'y a plus de production de bois. Hmm. Pourquoi restaurer les terres dégradées et déboisées Colonel Bellosman, de la direction gestion durable des terres. C'est vraiment la base productive. Donc des terres, nous tirons notre nourriture, nous tirons euh, les eaux pour euh, la boisson, pour les différents usages. Donc, resterait inter se c'est lui rendre toutes ses fonctions. Donc, ça veut dire que euh, il faut lui rendre ses fonctions euh, écologiques, il faut lui rendre ses fonctions de production, notamment la production, par exemple, de bois, la, la production de fruits, la production des racines. Il faut rendre aussi les fonctions socio-écologiques parce que nous savons que mm et elle assure aussi des fonctions socio-écologiques. Hmm. Je voudrais juste savoir, est-ce que les montagnes et les ravins euh, peuvent être assimilés à des terres dégradées oui, parfaitement, les, les, montagnes et les ravins peuvent être assimilés à des terres dégradées, puisque c'est des terres qui sont assimilées à des terres, à des terres de restauration. Donc, c'est bien défini, par exemple, dans la loi forestière, les montagnes, les versants, les versants des montagnes, par exemple, sont du domaine des terres à restaurer. Est-ce qu'on peut avoir une idée de, des différentes terres dégradées et déboisées pour le cas du Niger bah, En fait, euh, les terres, euh, les terres dégradées, elles, sont, elles se trouvent un peu partout au Niger. Ici, par exemple, c'est des terrains agricoles qui ne produisent plus, dont le rendement est, est quasi nul. Ça veut dire que c'est des terres agricoles dégradées. Si par exemple c'est des terres sylvicoles, ça veut dire qu'il n'y a plus de fourrage, ou bien elles sont colonisées, ou bien ces terres sont colonisées par des espèces qui ne sont plus appétées par les animaux, mm. tels que le sida cordifolia, tels que le pergillera tomentosa. Donc là aussi, ça veut dire que c'est des terres sylvicoles dégradées. nous avons aussi c'est des terres plutôt pastorales dégradées. Mm. Bon, pour le cas des terres sylvicoles dégradées, ça veut dire que là, c'est les boisements. Parlant de cette dégradation des terres, euh, est-ce que par exemple au Niger, il y a des régions qui ont plus de terres dégradées que d'autres euh, Si on doit comparer les régions, euh, il y a vraiment une séquence, je dirais, agroécologique puisque ce qui détermine, ce qui détermine euh, la dégradation, il faut se dire aussi, c'est les effets des changements climatiques. nous savons que, par exemple, les régions telles que les régions d'Agadez, les régions de Difa ou les régions même de Tilaberi sont beaucoup plus euh, durablement frappées par, par ce phénomène. Mais aussi, il y a euh, les effets anthropiques. Donc, quand vous prenez par exemple la région de Maradi, la dégradation est liée surtout aux, effets anthropiques, puisque c'est pratiquement la surexploitation, je dirais, des, la, surexploitation des, champs, puisque dans les années 70, vous, euh, si vous vous souvenez, dans les années 70, il y avait vraiment les, cultures de rente, donc mm. les terres étaient vraiment exploitées à, à fond, et aujourd'hui, elles, elles ne sont plus fertiles. Donc, euh, parce qu'à Maradi, il y a aussi cette densité humaine qui. qui oui, qui oui, voilà, exactement, exactement. C'est l'un des facteurs vraiment de la dégradation des terres, à part le, facteur climatique, c'est surtout l'homme. Mm. Par rapport, non seulement il y a le déboisement dû à l'homme, mais aussi il y a euh, euh, les cultures, l'intensité des cultures, qui mm. parfois de, sont surtout des mauvaises pratiques aussi mm. culturelles. Il y a aussi la région de Difa avec tous ces reflux de, populations déplacées et réfugiées qui euh, souvent, en tout cas beaucoup d'observateurs disent que c'est une pression aussi sur, euh, l'espace culturel, sur, euh, en tout cas sur l'environnement. Mhm. Ok, en fait, la région de Difa, c'est vrai, est, confrontée non seulement à un phénomène d'ensablement qui est vraiment assez inquiétant, mais ces derniers temps, avec euh, le phénomène des, réfugiés et des retournés, il y a eu une forte pression, sinon actuellement même il y a une forte pression euh, sur les ressources naturelles. Or, euh, on sait que quand il n'y a pas quand il n'y a pas de lignée, là, ça veut dire que vous, exposez votre sol à la dégradation. Hmm. Alors, je reviens à vous, Amir Ismail euh, Ismaël Abdraman, coordinateur de l'ONG Save Environnement. Quel est le constat que vous, au niveau de votre organisation, vous faites euh, du cas, pour le cas du Niger concernant les terres dégradées et déboisées Merci beaucoup, Mamadou. Euh, euh, pour ce qui est euh, de votre question relative à, la dégradation ou gestion euh, durable des terres, et pour le cas de, de la dégradation des terres au Niger, d'après notre expérience, relève des deux points principaux. Les deux points sont d'abord la variation climatique, mm. ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'origine anthropique. Anthropique, je de l'homme, de l'homme, voilà, mm. qui sont plus liés à l'homme. Mm. Et je crois que le colonel Abdelaziz avait euh, brièvement relaté cela durant euh, son exposé ou son intervention. En, citant même ou en donnant des références des régions ici au Niger comme Agadez qui euh, là-bas c'est les variations climatiques, le dérèglement climatique qui frappe la, région mm. et sa, richesse naturelle, contrairement à, des régions comme Maradi, et mm. DIFA. Mm. Euh, on peut éventuellement inclure euh, Zender, je mm. crois, qui est subissent des, dans les ressources naturelles subissent des pressions, non pas, euh, c'est vrai, le, phénomène du, changement climatique intervient, mais il y a beaucoup plus cette cause anthropique qui est là, c'est-à-dire cette pression humaine sur, la végétation. Je reviens à vous, colonel Bello Osman directeur adjoint de la gestion durable des terres, quelles sont les actions prévues à court, moyen et long terme pour atteindre l'objectif de 3,2 millions d'hectares de terres dégradées restaurées à l'horizon 2030. On sait que le Niger s'est engagé hein, depuis 2015 en tout cas à participer à l'effort mondial euh, à travers cet objectif de 3,2 millions d'hectares de terres dégradées. Est-ce que on peut avoir une idée de des actions qui sont en train d'être mises en œuvre et qui vont concourir à l'atteinte de cet objectif. Ok, merci. Euh, en fait, euh, c'est vrai, euh, le Niger a pris un engagement pour restaurer 3,2 millions d'hectares hmm. à l'horizon 2030. Et ça, c'est ça contribue par, ça, plutôt sa contribution par rapport à, à l'action de, de Sa contribution, c'est plutôt sa contribution. Hmm. Bon, ce qu'il faut se dire, on a pris des engagements, mais il fallait opérationnaliser ça. Et le Niger s'est fixé des cibles annuelles, sachant aussi que euh, le niveau de dégradation, c'est à peu près 100 000 hectares qui sont perdus chaque année. On s'est fixé une cible de 213 000 hectares. 213 000, euh, hectares de terre à récupérer année. de chaque dégradées à récupérer chaque, année. Voilà. Et en faisant ce calcul, on arriverait aux 3,2 millions d'hectares d'ici 2030 Oui, mais ce n'est pas tout, puisque ça, c'est juste euh, la récupération des terres en DRS, donc stricto sensus. Hum. Maintenant, il y a aussi la fixation des dînes, c'est une forme de récupération des terres aussi. Là, la cible est de 36 500 hectares par an. Et je vous ai parlé des, des terres sylvicoles qui sont dégradées. Donc là aussi, il faut faire un aménagement des terres pastorales. Et là, on a prévu à peu près 14 000 hectares à récupérer, donc à traiter. 14 000 hectares à traiter. Chaque donc, année, hein. chaque année, ça veut dire que euh, par rapport à la lutte contre les plantes envahissantes terrestres. Maintenant, c'est vrai, ça, c'est des actions mécaniques, c'est des fixations c'est des actions mécaniques, mais il faut coupler avec les actions biologiques telles que la plantation. Et là, le Niger a une cible d'à peu près 10 millions de, plantes chaque année à produire et à planter. Et est-ce que euh, dans la réalité, est-ce qu'on est en train d'aller vers ces, ces objectifs Il y a des disparités par, par rapport à, toutes ces activités dont je viens de vous citer. Sinon, quand vous prenez la, régénération naturelle assistée, nous sommes, euh, nous sommes euh, chaque année on dépasse la cible. Nous sommes et la régénération assistée, c'est quoi C'est 70 000 hectares. La cible, c'est 70 000 hectares chaque année, mais nous sommes à à, peu près 130-150% chaque année de réalisation. Et quand vous prenez la, la plantation, nous sommes à 9 millions, 9 millions et demi, 8 millions de plants sur 10 millions par mm. an. Mm. Maintenant, bon, la fixation aussi, c'est, nous ne sommes pas loin, mais c'est par rapport peut-être à la CSDRS, puisque là, les 213 000 hectares, nous sommes un peu loin. Bon, là, c'est, c'est vrai, nous sommes à un taux de réalisation de de 30 000 hectares en moyenne depuis 2011, je prends depuis 2011 c'est 213 000. Là, franchement, nous sommes un peu loin de, de la cible. Quels sont les acteurs impliqués dans ces actions euh, les, les, acteurs, bon, il, faut se dire euh, qu'il y a d'abord euh, tout le dispositif euh, du ministère de l'Environnement qui assure quand même la maîtrise d'ouvrage dans, dans ce domaine. Il faut aussi citer les autres ministères euh, tels que le ministère de l'Agriculture, le ministère euh, de l'Hydraulique, le ministère de l'Élevage, le ministère des Mines, je crois bien. Hmm. maintenant, bon, la restauration des terres, c'est un domaine large. Et ici, il faut, il faut se féliciter surtout Parmi les acteurs, il faut citer les, ONG qui font un très bon travail. Parce que justement, j'allais vous poser cette question. Est-ce que euh, les acteurs non étatiques sont pris en compte Exactement. Puisque le, en, réalité, sur le terrain, c'est les ONG qui font le travail. Le ministère, par exemple, quand vous prenez le ministère de l'Environnement, nous, nous, assurons juste l'assurance qualité. Mmh. Mais tout, tout ce qui est récupération des terres physiques, c'est vraiment les ONG à travers les financements qu'ils trouvent, euh, non seulement du ministère, mais aussi des autres institutions. Euh, de la place. Euh, est-ce à dire que la recherche de l'atteinte de certains objectifs sur le terrain est faite par les ONG et une partie par le gouvernement ou bien exclusivement ah. c'est les acteurs non étatiques qui sont chargés de la mise en œuvre Non, ici pour la cible, il n'y a pas de distinguo. tous les acteurs sont dans le même paquet puisque vraiment l'atteinte de l'objectif, il est national. Mm. Donc il n'y a pas de distinction entre un ministère, par exemple, sectoriel et les ONG. Euh, bien. Amir, Amir Ismaël Abdraman, coordinateur de l'ONG Save Environnement. Par rapport à cet objectif euh, que le Niger s'est fixé, un engagement pris par le Niger pour restaurer d'ici 2033,2 millions d'hectares de terres dégradées. Il y a des objectifs qui sont fixés euh, par an. Quelles sont euh, vos contributions par rapport à l'atteinte de, ces, objectifs Vous savez, les objectifs, prendre une décision ou bien signer des objectifs ou des engagements, mm. c'est une chose. Mm aller sur le terrain, ou bon, d'abord chercher les moyens, aller sur le terrain, le mettre en pratique, année et une autre aussi. Euh, et bien entendu, il y a aussi des contraintes, mm. des difficultés également que nous, en tant qu'organisation non gouvernementale, nous rencontrons. Ces, ces, ces, problèmes ou ces difficultés sont un peu variés. ok Nous, en tant qu'organisation, bien sûr, euh, nous, nous mobilisons nos partenaires ok, euh, dans, dans, dans, dans, cet objectif qui c'est que, ou dans cet engagement que l'État euh, avait pris ou a pris. Mm. Donc, euh, nous mobilisons nos, partenaires, nous faisons des, des recherches de financement pour justement aller sur le terrain et contribuer dans la récupération de, ces terres dégradées. Mais comme je vous l'avais dit, très souvent il y a des contraintes et il y a des, des, des difficultés. Nous, nous sommes engagés aux côtés du gouvernement pour euh, justement dans, dans, la richesse des de fonds, la mobilisation des fonds euh, afin d'atteindre cet objectif que je dirais tous ensemble nous avons pris. Et là actuellement nous avons recensé, nous avons collecté des données et des informations, nous avons fait des études de terrain également. Et là pour l'année 2020 à venir nous comptons mettre tout un plan d'action euh, pour récupérer un objectif genre quand même essayer de contribuer à l'atteinte de, l'objectif de, récupération des terres par an, c'est-à-dire mmh. les, les 1 euh, million ou Est-ce que vous avez déjà des actions du genre euh, récupération ou aider à la formation de, de, gens qui devront se charger de ça ou pas encore Non, pas encore. Là, concrètement sur le terrain, nous avons accompagné les quelques... qui manquent. Oui, bon, on peut dire ça. Alors, euh, voilà, colonel bellosman effectivement, on prend des engagements et il faut mettre ces engagements en œuvre. Et pour mettre euh, certaines actions euh, de façon pratique, il faut des ressources financières conséquentes. Au niveau du, ministère, en tout cas, qui, pilote ces, actions, est-ce que comment cet aspect est pris en compte euh, notre problème, c'est que nous avons peut-être une faible capacité de, de, mobilisation, je dirais, parce que euh, je vous ai donné euh, le niveau d'atteinte, c'est à peu près 30 000 hectares sur 213 000. Donc nous sommes, nous sommes vraiment loin et tout simplement parce que eh, il y, a, un sous-financement. Mais ce qu'il faut, ce qu'il faut céder ici, l'État est en train de faire quand même des efforts, surtout, surtout euh, euh, sur le budget national, parce que quand vous prenez eh, depuis l'avènement de, de la Renaissance, c'est à peu près 1 eh, milliard 400 millions qui sont dépensés uniquement dans la restauration des terres. Donc sur le budget propre de l'État, un milliard cents millions, c'est beaucoup parce que c'est à peu près multiplié par, par deux. Quand vous prenez les, les années antérieures, c'est à peu près 300-400 millions. Aujourd'hui, nous sommes à un milliard 400 millions. Je trouve que l'État est en train de faire beaucoup d'efforts. Mais il y a, il y a aussi, c'est, il y a aussi vraiment euh, cette volonté, cette volonté affichée par nos autorités politiques de synergier avec, avec euh, vraiment les, les, organisations internationales, avec euh, euh, les partenaires bilatéraux pour quand même euh, qu'ils participent vraiment à, un meilleur niveau par rapport au financement de, la restauration des terres. Alors, par rapport au, financement des activités, euh, je reviens à toi, Amir. Est-ce que vous avez l'habitude de, de, ficeler des projets qui sont, que vous amenez soit à des bailleurs de fonds autres que l'État Oui, bien entendu. Qu'est-ce que, quels sont les résultats qui sont issus souvent de, de, de, ces recherches de financement Et de notre côté, nous avons euh, bien entendu euh, l'habitude de, faire un plan d'action allant dans le cadre de, de, la récupération des terres. Mais très souvent, souvent, très souvent, ça traîne, ça, ça va de, gauche à droite. Et là, euh, on nous fait des recommandations du genre, bon, vous attendez un moment, des trucs comme ça, quoi. Donc, vous voyez un peu. Pour, pour, pour clore cette parenthèse, au niveau de ces environnement, environnements euh, quelles sont les autres activités que vous faites dans le cadre justement de, de, de la conscientisation par rapport, par rapport euh, à la dégradation de l'environnement et notamment des terres Nous avons trois volets dans ce sens. Mm. Et qui dit... Euh, récupération des terres dégradées, qui dit euh, changement climatique, dit également lutter contre les catastrophes naturelles. Parce qu'aujourd'hui, les catastrophes naturelles aussi euh, sont un ou où ils, interagissent en tout cas dans la perte des, des, des, terres cultivables et des, des terres, terres pastorales. Euh, nous aidons les communautés rurales à adopter des mesures beaucoup plus euh, adéquates et durables. Ces, mesures sont appelées généralement résilience face au changement climatique. Mm. C'est-à-dire, c'est de passer euh, d'un stade vraiment un peu euh, un peu classique, je dirais, ou un peu ancien, mmh. à un stade beaucoup plus moderne et durable. Euh, que vous travaillez sur la question de l'adaptation au changement, climatique. Alors, euh, je reviens à vous, colonel Bello. Mhm. Le Niger va célébrer cette semaine euh, la semaine euh, nationale ou je ne sais pas comment on va l'appeler sur la semaine nationale de restauration de l'engagement à la mise en œuvre. Est-ce que vous pouvez nous briefer un peu sur les actions qui sont prévues pour, pour cette semaine, à l'occasion mhm. de cette semaine Merci. <clears throat> Euh, ce qu'il faut comprendre par semaine de restauration, euh, en fait, c'est un forum qui va regrouper tous les acteurs qui, qui exercent dans le domaine justement de la restauration des terres. Donc, euh, ça veut dire qu'il y aura les bailleurs, il y aura l'État, mm. et il y aura aussi qui sont au niveau opérationnel, justement les ONG, hmm. mais il y aura aussi les collectivités et les populations. Hmm. Il s'agit au, cours de, cette semaine il faut savoir qui fait quoi, qui est où et où est-ce qu'on va. La cible, c'est les 3,2 millions d'hectares, hmm. mais euh, excusez du terme, nous sommes éparpillés. Dispersés. Nous sommes dispersés. Donc ça va nous permettre de comprendre, par exemple, dans telle zone, il y a tel acteur ça veut dire que si vous êtes deux acteurs dans telle zone ou bien dans une commune précise, ça veut dire que euh, ça va vous permettre de, de, de synergie, donc peut-être de faire une complémentarité entre vos activités. Mm. Et je pense qu'à l'échelle nationale, c'est ce qu'on est en train de rechercher, c'est vraiment mettre en, en, synergie tous ces acteurs, puisque l'objectif, il est unique, c'est aboutir à restaurer 3,2 millions d'hectares. Maintenant, il faut qu'on regarde dans le même sens. Il faut aller ensemble pour, pouvoir il faut aller ensemble, voilà. Mm. Puisque en rang dispersé, comme on l'a dit, on ne mm. pourra jamais gagner une bataille. Il faut resserrer les rangs, il faut, il faut se serrer les coudes et là, vraiment, ça, ça permet d'aller de l'avant. Mais il est prévu aussi une visite de terrain, puisqu'il faut, il faut se rendre, par exemple, sur, sur un site de restauration de terre, faire ressortir les forces, les faiblesses. Et là, ça va permettre à tout un chacun de comprendre euh, réellement et qu'est-ce qu'il faut, par exemple, pour réussir euh, un site restauré. Mm. Et ensuite, euh, nous allons travailler en atelier. Ça, sera la deuxième journée. Nous allons travailler en atelier avec, euh, euh, je pense, quatre panels et, avec des thèmes différents. Qui vont toujours e-, essayer d'édifier les uns et les autres par rapport aux différentes méthodes, par rapport aux techniques qui réussissent mieux. Bien. Amir Ismaël, euh, tout à l'heure, le colonel avait soulevé le fait qu'il y a euh, des différents acteurs qui interviennent chacun, mais de façon vraiment dispersée. Est-ce que à votre niveau, vous avez constaté cela et est-ce que cela euh, est un frein aussi pour, vous en effet, nous avons évoqué la même problématique durant un atelier que nous avons organisé ou que le RISAD avait organisé, bien sûr, avec des partenaires que nous, euh, l'atelier euh, préparatoire de, de la COP, euh, COP 14 qui, mm. qui s'est passé en Inde. Mm. Donc nous avons la COP 14 sur la désertification. La désertification, voilà, merci pour la précision. Mm. Donc nous, nous avons justement évoqué ce problème et le fait que nous partons vraiment dans des sens dispersés ne, ne rendent pas service à, que ce soit au ministère, à l'État et même à l'objectif que nous nous sommes fixés. Pourquoi Parce que ça serait très difficile pour nous de savoir qui a fait quoi et où est-ce qu'il l'a fait. Euh, des acteurs peuvent venir euh, affirmer qu'ils ont récupéré par exemple 5 euh, 000 hectares ou je sais pas 250 000 hectares de terres dégradées dans telle localité, hmm. mais comment vérifier ces résultats mais si euh, c'est des actions coordonnées, par exemple, avec euh, tous les acteurs engagés, avec euh, le ministère et les acteurs étatiques également, très facilement nous pouvons nous pouvons faire le constat physique des travaux qui ont été qui ont été faits. peut-être qu'on va rappeler, au colonel, un peu quelques différentes techniques de restauration de terre qu'on peut qualifier pour le moment de bonnes pratiques en matière de restauration de, terres dégradées. Mhm. Ok, merci. En fait, ce qu'il faut retenir peut-être ici en termes de, de bonnes pratiques, c'est juste une pratique qui, qui est réplicable par les paysans parce que nous avons des technologies, mais parfois elles sont lourdes et celles qui ne sont pas lourdes qui sont répliquées par euh, par les populations à un moindre coût, à un moindre coût mm. sont supposées comme bonnes pratiques. Mm. justement, euh, avec un meilleur rendement aussi. Quoi. Mm. Euh, par exemple, on peut citer la régénération naturelle assistée. Euh, la RNA qui, qui, qui, ne coûte pas. Qui, et qui consiste à faire quoi qui, consiste tout simplement à repérer les jeunes pousses les jeunes pousses dans les champs. Elle se passe uniquement sur les champs agricoles. Il faut repérer les jeunes pousses et puis les soigner les soigner, les suivre, apporter tous les soins sylvicoles jusqu'à jusqu'à un certain moment. Alors là, vous allez profiter de plusieurs choses. Non seulement euh, ce, cet arbre que vous avez que vous avez élevé, si on peut dire entre guillemets, mm. fertilise votre champ, ça veut dire que le rendement de votre champ va augmenter, mais aussi vous pouvez vous pouvez profiter par exemple du bois du bois produit par cet arbre, vous pouvez, produire, vous pouvez profiter euh, des fruits produit par cet arbre. Vous pouvez aussi profiter sur le plan euh, socio-culturel de la notabilité. Par exemple, quand vous prenez dans la zone de Magaria ou de, de hmm. le Gao est, pratiquement un prestige qui est, qui est, par exemple, quand il y a un héritage de champs, euh, c'est à peu près les, les, champs n'ont pas les mêmes valeurs à, superficie égale les champs n'ont pas les mêmes valeurs entre un champ qui a un gao et celui qui n'en a pas par exemple. Alors quelle autre technique et on peut citer aussi le zaï, puisque là, c'est vraiment à la portée du, du paysan, mm. même si c'est vrai, c'est un travail fastidieux, mais c'est à la portée des paysans et qui permet sincèrement de, de, de tripler ou bien de quadrupler même les rendements agricoles. C'est quoi le zaï Les zaï, bon, en fait, les zaï, c'est des trouaisons qu'il faut faire à une certaine densité. Euh, c'est des trésors qui se font dans les, justement dans les champs agricoles pour mm. euh, booster le rendement agricole. C'est mm. des trésors qui se font à, à 30 cm, 50 cm, 50 mètres. Donc, c'est des trous qui ont une, une, une profondeur d'à peu près 30 cm et une largeur de 20 cm dans lequel vous allez mettre un peu de fumier. Donc, puisque la fertilité du champ est, est, quasiment nulle. Ça veut dire qu'il faut lui rendre sa fertilité. Vous faites ces trous, vous mettez un peu de, un peu de fertilisant, fertilisant et vous plantez là-dedans. Vous semez plutôt là-dedans, vous semez le mil, le sorgho, les spéculations. Et ça, ça permet sincèrement de, de, de, de quadrupler les rendements agricoles. Alors, Amir Ismaël, euh, vous, à votre niveau, quelle est la technique qui c'est la mieux selon vous pour la récupération des terres euh, dégradées ou déboisées alors, euh, je crois que nous avons, nous, nous, avons deux. On peut citer la, la RNA, mm. comme euh, M. Bello l'avait dit. Mm. Et éventuellement, euh, nous sommes cette année ou l'année à venir, nous, nous, sommes en train d'élaborer des, des, plans d'action mm. qui, qui consisteraient à aller dans, dans, des endroits ou des régions géographiquement un peu érosives, comme vous avez dit, afin de, de, de, procéder à des techniques telles que des demi des, des demi lunes mm. et, et, autres. Mais là, je pourrais pas dire que telle technique est mieux que, que l'autre. Je pense que c'est tous les deux des techniques approuvées. Et l'objectif principal, c'est vraiment de, de, de contribuer à, à, l'amélioration ou euh, du rendement du paysan, ou bien à, la facilité, faciliter quelque part euh, le coût aux paysans et, et, justement ça rentre, je crois, dans le cadre toujours de la résilience face au, changement climatique. Yeah. Et une question que je voudrais vous poser, colonel, avant qu'on arrive à la dernière partie, et c'est que c'est les terres, dans certains endroits où on récupère des terres, en tout cas complètement dégradé et déboisé où personne ne, s'intéresse à, cela. Ces terres, ces une fois récupérées, comment se fait leur exploitation et par qui Parce que souvent cette question revient après la récupération d'une terre, qui va gérer cette terre Comment se fait euh, la gestion de, de, de ces terres il faut savoir en matière de restauration des terres, il y a, il y a toujours un préalable par rapport aux fonciers. Donc il faut, il faut clarifier le statut foncier du site à récupérer. Ça, c'est la première des choses à faire. Il faut savoir à qui appartient ce terrain et après la restauration, quoi, qu'est-ce qu'il faut en faire Donc la valorisation. Ça, il faut régler ce problème parce que on a par le passé, c'est vrai, on a fait des erreurs comme ça vous récupérez une année, deux années déjà, et le propriétaire se pointe, et là vous êtes obligé de céder. Mais je pense que maintenant les dispositions sont prises, il faut au préalable régler le, statut foncier des sites à récupérer. Alors, mieux dans la valorisation, nous avons une disposition aujourd'hui, une disposition réglementaire, donc c'est la loi d'application de, la loi forestière, de la loi 2000, 2004-08, qui stipule que... Euh, une terre restaurée doit faire l'objet eh, d'un cahier de charges, si c'est une terre restaurée agricole. Ça veut dire que c'est euh, vrai, le, le, paysan, il peut bénéficier d'une restauration des terres, mais il faut qu'il apporte sa contribution. Donc là, on va lui faire un cahier de charges, hmm. là où il va s'engager, par exemple, de, de, s'occuper, par exemple, euh, des ouvrages, par exemple, pendant un an ou deux ans. Hmm. Et si c'est une terre pastorale, là, c'est la loi impose carrément un plan d'aménagement. Ça veut dire qu'on on, ne restaure plus, par exemple, une terre sylvicole faire des, réalisations physiques, donc les, les, les, les ouvrages intéressifs et partir. Non, il faut un plan il faut un plan d'aménagement. Ça veut dire qu'il faut accompagner, il faut valoriser ce site-là. Hmm. Parce que justement, si aujourd'hui le Niger s'engage à, à, cette restauration, c'est quelque part parce que euh, il y a un objectif derrière, l'objectif de pouvoir bénéficier de, de ces terres qui sont là aujourd'hui inexploitées. Exact. Exactement. Bon, c'est ça. Puisque, en fait, au, auparavant, c'était des terres fertiles. Hum. Mais avec, euh, avec tout ce que nous connaissons comme effet des, effet des changements et variabilités climatique et les, la pression anthropique, ces, terres sont aujourd'hui devenues infertiles. Donc si on décide de, les rendre fertiles, donc de les restaurer, c'est qu'il faut en faire, il faut en profiter, il faut en faire quelque chose, il faut produire quelque chose sur ces terres. Bien. Pour finir, comment, à votre avis, on peut atteindre euh, idéalement cet objectif euh, fixé par le Niger, 3,2 millions d'hectares de terres à restaurer d'ici à l'horizon 2030 mhm. Et quelles sont les voies et moyens, en tout cas, pour mieux y parvenir pour renvoyer à, à, la semaine de la restauration parce que mm. c'est ça l'objectif de la semaine de la restauration, c'est mettre en synergie les efforts de tous les acteurs. Maintenant, pour atteindre vraiment la cible de 3,2 millions, c'est qu'il faut mettre à l'échelle les, euh, les bonnes pratiques de restauration des terres. C'est-à-dire que la RNA dont je, viens de citer, c'est qu'il euh, faut la faire partout là où elle est possible. Mm. Elle ne coûte pas grand-chose aux paysans, il peut la reproduire facilement et le gain est, est, est, vraiment intéressant. Ismaël euh, Amir Oui. Un mot par rapport aux, voies et moyens pour réussir à, atteindre l'objectif euh, du Niger en matière de restauration de terres dégradées et déboisées Oui, peut-être euh, juste un ajout. Il est important de, de préciser même euh, les raisons pour lesquelles euh, on vise cette restauration des terres dégradées sur le long terme. Mm. Euh, sachez que trois quarts de, de la population nigérienne est, sont, vivent en milieu rural et euh, nous avons toujours hérité des terres mm. pour nos mois comme moyen de, de subsistance. Mm. Donc le fait est que euh, euh, nous misons ou nous investissons de plus en plus dans, euh, la récupération des terres est un excellent moyen de maintenir un certain équilibre social. Pourquoi Parce que euh, avec des terres euh, euh dégradées en, en, en, en, si grand nombre, il y aura une, population qui augmente. Une, population qui, augmente, il y aura euh, toute une foule de, de, de migrants, des exodants et, autres. Bref, pour maintenir vraiment euh, un équilibre social, il faut gérer de façon durable les terres récupérées. Nous donnons à présent la parole à Adamo Garba, président du Parti Vert, Rassemblement pour Salver au Niger, RSV Nima. Bonsoir, monsieur Adam Garba. Bonsoir. Quel est le constat que vous faites pour le cas du Niger en termes de, superficie ou euh, en tout cas de façon générale concernant les terres dégradées et déboisées au Niger Bien, c'est un phénomène véritablement alarmant dans le sens où avant on se plaignait de la désertification, c'est-à-dire que c'était la zone euh, exclusivement nord qui n'était pas boisée. Et aujourd'hui, on a un phénomène de désertisation même dans les zones euh, de culture, c'est-à-dire dans les régions euh, du fleuve, par exemple, tout le long du fleuve Niger, vous allez voir des poches de désert. Vous avez également dans pas mal de zones où vraiment il y a des poches de désert au sein même de la partie qu'on considère comme étant véritablement boisée. Donc c'est un phénomène alarmant, euh, d'autant plus qu'il a des conséquences euh, non négligeables sur euh, la sécurité alimentaire des paysans et sur l'équilibre des écosystèmes dans notre pays. En décembre 2015, l'initiative africaine de restauration des paysages forestiers, FR100, a été lancée à Paris à l'occasion de la COP21. Cette initiative a pour objectif de restaurer 100 millions de terres dégradées en Afrique pour contribuer à cet objectif global, le Niger s'est engagé à l'époque à restaurer 3,2 millions de terres dégradées et déboisées d'ici à l'horizon 2030. Quelle est votre appréciation de, cet objectif euh, au plan national Bon, je, considère que ceci est du, ressort du gouvernement, c'est-à-dire que le gouvernement a pris un engagement chiffré en termes de superficie donc euh, à restaurer et ceci appelle euh, d'autres facteurs, c'est-à-dire la mobilisation des ressources financières pour pouvoir atteindre cet objectif, mais également la mobilisation des ressources humaines à l'échelle du pays. Hmm. Il faut véritablement une véritable campagne euh, pour pouvoir euh, aborder ce volet et faire en sorte que tous les Nigériens se sentent concernés. Il n'y a pas que l'État, il y a les ONG, les associations et puis les partenaires euh, au développement qui doivent intervenir pour aider le Niger à atteindre cet objectif-là. Pour vous, au niveau du, Parti vert, le, Rassemblement pour un Sahel vert, quelle est la contribution que vous vous apportez ou bien vous voulez apporter, apporter dans le combat pour la restauration des, espaces, des paysages dégradés déboisés au niveau de notre parti, véritablement, euh, notre contribution est beaucoup plus euh, une campagne de sensibilisation, d'information mais aussi d'alerte au niveau des autorités. Parce qu'il ne s'agit pas tout simplement d'engager de gros moyens financiers pour euh, réaliser l'objectif euh, dont nous venons de parler, mais il faut véritablement aussi capitaliser tout ce qui a été fait. Parce que lorsque nous voyons par le passé, il y a eu énormément de travaux de récupération des terres. Malheureusement, euh, ceci parfois n'a servi qu'à des particuliers pour mieux s'approprier des espaces qui ont été récupérés à grands frais euh, avec le soutien de nos partenaires euh, internationaux. Hmm. Nous pensons que dans ce pays, euh, ce qui nous a beaucoup manqué, c'est le manque de volonté politique, d'affirmer une politique claire et nette. Hmm. Je vous donne un exemple. Euh, la ceinture verte. Tout le monde en a parlé, les médias ont beaucoup parlé de la ceinture verte, euh, le studio Kalangu, avec tous les autres organes de presse, aussi bien publics que privés. Le dossier est sur la table du gouvernement. Aucune décision n'est prise à ce moment. Si on ne peut même pas régler un problème de la ceinture verte qui est là au niveau de la capitale, mm une superficie de 25 km sur 1 km, mais quand est-ce qu'on a réglé des problèmes du côté de Difa, du côté de Walam, du côté euh, de Gaïa, que euh, sais-je, euh, Agadez. vous voyez. La, question sur laquelle je voudrais qu'on revienne, c'est la conservation des acquis dont vous parlez tout à l'heure, mm. notamment la valorisation ou la réutilisation des terres récupérées, des terres restaurées. À, votre avis, à ce niveau, il y a beaucoup de, de, flottement Il y a beaucoup de flottement parce que tout simplement, si vous êtes, nous sommes ici à Niamey, il suffit de sortir de Niamey, le plateau de Bougoum qui est là, à peu près à une dizaine, une vingtaine de kilomètres. Tout le long, euh, il y a eu des espaces qui ont été restaurés. Malheureusement, une fois restaurés, encore des privés se sont accaparés de ces espaces et même au besoin de vouloir vendre des espaces euh, qui se relèvent du domaine public de l'État à l'État même vous rappelez l'affaire. Le débat aujourd'hui doit tourner autour de ce qu'on fait des terres récupérées, des terres dégradées. Exactement. C'est-à-dire que quel objectif, quel, quel cahier des charges, hein, quel cahier des charges, par exemple, pour toutes ces terres récupérées. Nous sommes pour que ces terres soient restaurées, mais il faut définitivement faire en sorte qu'elles le restent, que cela ne soit pas un moyen pour permettre à des gens pour s'approprier. C'est-à-dire, ça devient, c'est toujours un domaine public de l'État. Comment euh, éviter de, tomber dans de tels errements Bon, tout ce, pour éviter de tomber dans ces errements, euh, véritablement, comme j'ai dit, il y a une volonté politique. Il faut qu'on ait des textes, il faut qu'on ait un cadre juridique assez contraignant, donc qui permette euh, d'abord de restaurer et que ces terres ne soient ne fasse pas l'objet d'une quelconque utilisation en dehors d'une utilisation qui permettrait à l'ensemble des Nigériens de jouir du produit. Voilà. Donc, euh, il faut des textes. Et c'est là que le parti intervient. Parce que nous, en tant que parti vert, ce qu'on souhaiterait, que les Nigériens prennent conscience véritablement des enjeux pour que les Nigériens envoient à l'Assemblée nationale des écologistes qui sont capables de sauvegarder et de protéger notre environnement de manière durable, mais au profit également des futures générations. Euh, quels sont, à votre avis, les voies et moyens permettant d'atteindre l'objectif, en tout cas que le Niger s'est fixé, de 3,2 millions d'hectares de terres à récupérer. Pour atteindre cet objectif, vraiment cela nécessite une mobilisation globale, générale, non seulement des ressources financières possible, des ressources humaines et véritablement mettre les Nigériens et en particulier les jeunes à l'avant-garde euh, de ces actions-là. Nous avons beaucoup de jeunes qui sont au chômage, qui ne peuvent pas travailler et voilà un domaine où on peut faire travailler tout le monde et véritablement dans l'intérêt de toute la nation. Donc il faut mobiliser tout le monde, il faut aussi mobiliser les moyens conséquents et après une sensibilisation véritable qui puisse permettre à tout le monde de comprendre les enjeux et que de prendre part et de prendre part effectivement de manière à ce que chacun apporte sa contribution tout en sachant que ça va rester un bien commun à tout le monde et qu'il n'y aurait aucune possibilité pour que certains viennent après s'approprier ce travail qui a été un travail collectif comme je vous ai dit, il y a des poches de désert. Là, avant, on savait que la limite, c'était le désert, mais aujourd'hui, il n'y a plus de limite. Vous avez des poches de désert partout. Donc, ces poches-là doivent être traitées, je pense même de manière prioritaire, parce qu'il y a un effet boule de neige qui se fait. S'il y a euh, une, euh, un banc de sable ici, progressivement, euh, il envahit les autres, et petit à petit, avec les, les qui drainent euh, l'eau, qui drainent le sable à un moment donné. Donc ces espaces-là vont s'élargir. Donc il faut d'abord les traiter de manière prioritaire. Ensuite, maintenant, passer aux espaces qui sont du plus proche du désert. Merci beaucoup. Et c'est ce mot faire le forum d'aujourd'hui sur la thématique voies et moyens pour atteindre l'objectif du Niger en matière de restauration des terres dégradées et déboisées. Il est ressorti des échanges de nos invités que pour mieux atteindre l'objectif de 3,2 millions de terres dégradées à restaurer au Niger d'ici à 2030, une synergie d'action entre acteurs étatiques et non étatiques est nécessaire. Par ailleurs, un de nos invités a soulevé la question de l'utilisation des terres une fois restaurées. Pour lui, il est important de déterminer d'avance les objectifs visés ou fixés pour chaque terre à restaurer. Et nous étions en compagnie du colonel Bello Osman, directeur adjoint de la gestion durable des terres, Amir Ismaël, coordinateur de l'ONG Sève Environnement, et M. Adam Garba, président du parti Rassemblement pour un Sahel vert, euh, RSV Nima. Présentation à Alassane Kouzima Mamadou, la technique assurée par Issa Lawali.